forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Voilà, il est 18h16 minutes. Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute euh, du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozerine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Le forum du vendredi, c'est comme d'habitude du décryptage de l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse nationale. Alors nous attendons d'une minute à l'autre nos invités, Garé Amadou, journaliste au biobdomadaire de l'événement, et Oumar Modibo du journal Le Nouveau Républicain. Cette semaine, nous avons beaucoup parlé de la ville d'Arlit où des affrontements ont éclaté entre forces de l'ordre et partisans du mouvement unique de la société civile. Le mouvement unique de la société civile entendait protester contre les coupures intempestives de l'eau et de l'électricité devenues fréquentes depuis plusieurs semaines. Plus d'une soixantaine de personnes ont été interpellées, mais à la date d'hier, il n'était restait qu'une dizaine de personnes en prison. Autre affrontement, c'est ceux qui ont opposé dimanche à Niamey force de l'ordre commerçant du grand marché. Le marché était fermé toute la journée, mais a rouvert dès le lundi. Les actions de déguerpissement annoncées par le gouverneur de Niamey, Hamidou Garba, le 20 août dernier, sont à l'origine de ces affrontements. Au plan politique, le collectif des avocats des personnes présumées impliquées dans le coup d'État a apporté un démenti formel aux déclarations du ministre de la Défense nationale Assoumi Massaoudou affirmé que toutes les personnes détenues avaient reconnu leurs implications, leur implication dans l'affaire. Le collectif a affirme par ailleurs que toute la procédure est émaillée d'irrégularité. Enfin, ce nouveau cadre de lutte mis en place hier par l'opposition politique, il s'agit du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République. Le FRDDR se donne pour objectif de défendre l'intérêt public et général selon les principes démocratiques et républicains. Oui, avant l'arrivée, en attendant l'arrivée de nos invités, nous allons à la découverte de Business Challenge. Business Challenge est une émission économique qui parle uniquement de l'économie nationale. C'est une production indépendante produite par Impact comme Media. Plusieurs rubriques y sont débattues, entre autres des métiers et de l'accès sur le marché de l'emploi. C'est Souleymane Mamadou, directeur général Impact comme Media et producteur de Business Challenge, nous dit plus sur ce euh, sur cette production. Euh, monsieur Seydou, Business Challenge, euh, c'est une émission télévisée. Il y en a qui connaissent deux noms, mais c'est quel genre d'émission en réalité Business Challenge est une émission économique. Et aujourd'hui, je pense que Business Challenge, dans le paysage audiovisuel du Niger, c'est la seule émission économique qu'on a. Mais la particularité de Business Challenge, c'est qu'au-delà d'être une émission économique qui est produite par une maison de production indépendante et qui est diffusée aujourd'hui par Télé Sahel dans le cadre d'un partenariat producteur-diffuseur. Nous nous produisons, nous rentabilisons et dans le cadre du partenariat que nous avons avec Télé Sahel, nous donnons le produit à Télé Sahel qui le diffuse et nous faisons ce qu'on appelle en anglais du profit sharing, c'est-à-dire que Télé Sahel se rémunère sur une partie des revenus que nous avons euh, généré à travers l'émission. D'accord, mais euh, cette émission-là, c'est sous quel format L'émission Business Challenge, c'est sous format magazine, conçu avec euh, différentes rubriques qui nous permettent de, toucher un large public et puis de faire en sorte que, en fonction des intérêts et de la diversité du public, chacun peut trouver son intérêt. Par exemple, l'émission Business Challenge, aujourd'hui, nous avons une rubrique régulière qui parle des métiers et des carrières, axés sur le marché de l'emploi. Donc nous parlons souvent de comment réussir un entretien d'embauche, comment faire un bon CV, et nous pensons que ça, ça peut aider les jeunes qui sont en situation de recherche d'emploi. Quelquefois, nous présentons des métiers. Et en fait, on identifie des métiers qui sont assez peu connus, mais qui sont très utiles. Et nous invitons un professionnel de ces métiers-là à venir nous expliquer comment on accède à son métier, quelles sont les études à faire et une fois qu'on a euh, le diplôme, quel type de carrière on peut avoir. Et pour nous, nous pensons que faire ce travail, ça va aider les jeunes à mieux s'orienter. Nous avons aussi une autre rubrique régulière de Business Challenge qui s'appelle Innovation et technologie, où nous parlons régulièrement des innovations en matière de technologie, en matière d'entrepreneuriat, en matière de développement industriel. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir permettre à, des jeunes entrepreneurs de montrer ce qu'ils font comme innovation et aussi de faire en sorte que le public puisse découvrir aussi des idées innovantes ou bien des solutions innovantes. Nous avons aussi un grand format, parce que l'émission, ça dure 60 minutes. En général, aujourd'hui, nous faisons un plateau d'environ 30 minutes et dans ce plateau, en général, nous recevons des chefs d'entreprise qui ont une bonne expérience en matière d'entrepreneuriat. Ça peut être en matière de finance, en matière de marketing, en matière de gestion, en matière de leadership. Nous invitons quelquefois des décideurs publics, ça peut être un ministre, ça peut être un haut fonctionnaire de l'administration publique. Et l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que ces gens-là partagent leur expérience pour que ça inspire et aussi pour que ça informe. Parce que Comment choisissez-vous vos, vos thèmes, vos sujets en général, nous choisissons nos thèmes en nous posant la question sur l'intérêt que ces thèmes-là représentent pour le public ou bien sur leur utilité. Bon, quelquefois, on sait quoi à l'actualité aussi parce que quand il y a un grand événement euh, économique, c'est l'actualité du moment, on les traite, mais même quand on les traite, souvent on les traite avec du recul pour faire au-delà de l'information chaude des analyses. Parce que Business Challenge, c'est aussi ça sa vocation. En tant que production indépendante, nous choisissons nos thèmes librement en tenant compte de l'utilité, de l'intérêt que la thématique peut avoir en termes d'information, en termes aussi d'apprentissage. Parce que certains s'informent pour connaître des choses qui se passent dans l'environnement économique, mais il y a aussi d'autres, au-delà de l'information, qui apprennent. C'est euh, en général tous ces jeunes qui sortent des écoles, tous ces jeunes entrepreneurs qui ont besoin de savoir ce qui se passe dans l'environnement économique. Donc voilà vraiment euh, comment nous choisissons et traitons nos thèmes. Et en parlant de votre euh, maison de production, qui est-ce que vous employez là-bas des, journalistes ou euh, c'est des professionnels Notre équipe, c'est essentiellement des gens de, l'audiovisuel. Hein. c'est des journalistes. Il y a quelques journalistes reporters. Il y a des techniciens audiovisuels, des monteurs, caméramans, et puis on a une administration. Et moi-même, je suis aussi journaliste, parce que eh, j'ai commencé ma carrière, même si ma formation initiale était une formation dans le domaine de l'économie et de la gestion. J'ai commencé quand même ma carrière dans les médias économiques, bon, pas au Niger, à, à l'extérieur. Et donc, j'ai aussi une expérience journalistique que je trouve assez intéressante, qui m'aide aussi à gérer cette équipe et à faire ce travail du magazine. À Impact comme média, quel est le modèle de journalisme que vous défendez En tant que jeune entreprise, nous approchons le journalisme avec euh, une approche euh, axée sur les standards internationaux du vrai journalisme, du journalisme engagé, militant et du journalisme utile. Pourquoi je dis ça Parce qu'au Niger, euh, malheureusement, on a développé un certain nombre de comportements et de pratiques qui dénaturent un peu le métier de journaliste. C'est par exemple cette fameuse question de perdième ou de gratification. Nous, au niveau de Impact comme Média Business Challenge, c'est strictement interdit à nos journalistes d'aller sur le terrain et demander des gratifications. En tout cas, c'est écrit dans la charte de l'entreprise. Et quand ça va se faire ou quand on le sait, on arrête de travailler avec la personne. Parce que nous pensons que ce n'est pas une pratique professionnelle. L'éthique, c'est important aussi dans le travail des journalistes ou bien dans le travail même de la production de l'information. Et donc, ça, ce sont des valeurs sur lesquelles nous transigeons pas. Hein. Vraiment, c'est des valeurs non négociables dans notre entreprise, puisque nos collaborateurs viennent des médias dans lesquels, euh, quelquefois, il y a cette notion de gratification qui était en cours. On était obligé de discuter entre nous, de leur expliquer le bien fondé d'éviter ces gratifications, d'avoir un comportement responsable en tant que journaliste. Parce que si le journaliste lui-même qui dénonce la corruption accepte de se faire corrompre, vous voyez, il y a un problème. Si le journaliste qui, qui a des principes de bonne gouvernance lui-même ne participe pas à la bonne gouvernance par son comportement et son attitude, il y a un problème. Et donc c'est pour ça que nous, on a pris l'engagement résolu de dire vraiment on va travailler pour éviter ça. Alors, dites-nous comment est-ce que vous financez vos émissions de Business Challenge Naturellement, euh, en tant que production indépendante, il nous faut gagner de l'argent pour vivre. Même les médias, les médias sont obligés de gagner de l'argent. Les médias ont cette force d'être des entreprises d'utilité publique. Et aussi longtemps que les médias comprennent ça, ils peuvent gagner de l'argent sans complexe tout en faisant convenablement leur travail. Dans tous les médias du monde, et c'est ce que nous faisons aussi à Impact comme Media Business Challenge, il y a la production, il y a euh, le métier de l'information, mais il y a le métier commercial. Alors nous, aujourd'hui, le métier commercial, nous avons des partenaires qui croient en l'émission Business Challenge, qui pensent que les thématiques que nous traitons sont des thématiques importantes, des thématiques à valeur ajoutée, qui ont une utilité sociale et économique. Et ces partenaires-là, ils sponsorisent ce que nous faisons. Et c'est très clair. On fait des conventions avec eux, ils sponsorisent. Soit ils sponsorisent parce qu'on leur dit voilà les thématiques que nous allons produire. Et c'est comme l'Agence nationale de l'emploi, par exemple. Notre rubrique sur le marché de l'emploi, est sponsorisé par l'Agence nationale de l'emploi. Mais c'est parce que la thématique que nous traitons les intéresse. Le fait que nous parlions du marché de l'emploi, qu'on informe les gens, qu'on les sensibilise sur ce qui se passe sur le marché de l'emploi et sur comment réussir une carrière, ça intéresse l'Agence nationale de l'emploi. Donc, ils financent ce que nous faisons. Donc, c'est de l'argent gagné honnêtement. Il n'y a aucun complexe à ça, n'est-ce pas Business Challenge a aussi un partenaire officiel, c'est Orange depuis quelques mois, qui est notre sponsor officiel. Mais ce sponsoring aussi, c'est avec des clauses très claires. Orange sponsorise le concept Business Challenge. Mais est-ce qu'on peut espérer retrouver Business Challenge euh, sur euh, d'autres chaînes euh, nationales Alors aujourd'hui, sur la diffusion télé, naturellement, le contrat que nous avons avec Télé Sahel ne le permet pas. Nous avons un contrat d'exclusivité avec Télé Sahel. Quand nous avons des éditions spéciales où, par exemple, il y a des partenaires qui sont sponsorisés et qui nous disent, écoutez, on a besoin, au-delà de votre diffuseur, que cette émission soit diffusée sur d'autres canaux, Là, on en parle avec les gens de Télé Sahel et euh, on les informe et on trouve un terrain d'entente pour que cette édition spéciale soit diffusée au-delà du canal Télé Sahel. C'est déjà arrivé, ils l'ont accepté, ils l'ont compris. Maintenant, dans notre contrat de producteur-diffuseur, il y a des canaux en fait euh, sur lesquels nous sommes libres aussi de développer l'émission. Par exemple, si demain nous voulons diffuser l'émission en radio, normalement on est libre de le faire parce que la convention qu'on a euh, avec Télé Sahel est une convention exclusive sur le canal TV. Si demain nous voulons diffuser sur le web, on est libre de le faire aussi, vous Et euh, donc voilà un peu aujourd'hui euh, la nature de notre périmètre. Et qu'en est-il euh, du contenu Si eux ne sont pas d'accord du contenu, comment ça va se passer Non, en général, dans les conventions producteurs-diffuseurs, vous définissez vos chartes en matière de production et de diffusion. Par conséquent, nous ne sommes pas dans une optique où, par exemple, on va faire de la polémique. Parce que le problème, ça peut se poser là. Lorsque vous êtes dans l'information sensationnelle, vous, vous critiquez X ou Y ou Z. Bon, quand bien même qu'en journalisme, le droit de la critique existe, hein, c'est important que les journalistes critiquent. Et même nous, dans Business Challenge, on critique. Mais je vais dire, on n'est pas vraiment dans des grosses polémiques et controverses. Nous ne faisons pas non plus la complaisance, c'est-à-dire dire, on va chanter les louanges de X ou Y. Non, on n'est pas dedans. Mais si jamais le problème arrivait, si jamais il arrive, par exemple, que notre diffuseur nous dise, bah, écoutez, le contenu de votre émission, de votre émission ne nous convient pas. Alors là, ce qui va se passer, déjà, quand vous dites que le contenu ne vous convient pas, vous donnez les arguments pourquoi ça ne convient pas, n'est-ce pas Nous sommes dans un monde où il y a quand même quelques il y a des professionnels. Hein. Euh, aujourd'hui, il y a des organes de régulation, il y a la maison de la presse, il y a le CSC, il y a le ministère de la communication. Moi, ce qui m'intéresse, si on face à ce cas-là, on, on leur soumet ça, voir est-ce que et ce travail-là, sur le plan journalistique ou sur le plan informatif, comment ils le jugent si par exemple ils nous disent, écoutez, dans ce travail, vraiment vous avez fait entorse à la déontologie, ce n'est pas bon, le diffuseur a raison. Et dans ce cas, je pense que celles les imbéciles persistent sur un chemin sur lequel ils pensent qu'ils n'ont pas raison, n'est-ce pas Où tout le monde s'est établi qu'ils n'ont pas raison. Mais si on nous dit, écoutez, cette émission n'a aucun problème, mais c'est seulement le diffuseur qui ne veut pas le diffuser pour d'autres raisons. Mais nous, on ne va jamais changer de contenu. Et dans ce cas, on va assumer notre production, quitte à aller négocier avec d'autres chaînes pour euh, diffuser. Parce que notre vocation, c'est effectivement de produire de l'information utile. Et l'information utile, ce n'est pas parce que ça ne plaît pas à X ou Y qu'on ne va pas le diffuser. Et donc, euh, Business Challenge euh, date de combien de temps Alors, nous venons de fêter le deuxième anniversaire de Business Challenge. 50 numéros produits et diffusés en raison de deux numéros par mois. Et donc, nous totalisons plus de 100 heures de programme et euh, quand même exclusivement consacré à l'économie nationale. Et je me souviens quand on commençait Business Challenge en 2014, y compris dans l'environnement médiatique, il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas qu'on peut faire de la production indépendante et la faire vivre euh, pendant tout ce temps-là, euh, sachant que les médias eux-mêmes n'achètent pas votre programme, c'est à vous de produire, de vous faire diffuser et de payer les médias pour ça. Vous voyez, c'est un peu le monde à l'envers, mais euh, on a quand même pu jusque-là tenir la route. Et puis, progressivement, puisque les partenaires, les sponsors ont compris, beaucoup de sponsors commencent à appuyer les efforts de Business Challenge. Voilà, vous venez de suivre euh, Souley euh, Seydou Mohamedou, directeur général de Impact Com Media. Il est le producteur de Business Challenge. Business Challenge est une émission économique qui parle de l'économie nationale nigérienne. nous restons dans le domaine de la communication avec cette question. Comment utiliser les techniques de l'information et de la communication dans les écoles normales, cas de l'école normale de Dosso C'est le thème d'un master dont les données ont été présentées à la conférence scientifique organisée par l'Université de Niamey en juin dernier. Le conférencier, Abdou Oumarou, explique l'importance d'éthique dans les écoles de formation dans cet entretien qu'il nous a accordé on parle de technologie de l'information et, de la communication pour l'éducation quand il euh, s'agit d'un certain nombre de matériels, de techniques, mais aussi de technologies comme le nom l'indique, en d'autres termes des ordinateurs, des téléphones portables, euh, des ordinateurs de toutes formes, des téléphones portables, euh, des projecteurs, un certain nombre d'équipements qui sont de plus en plus utilisés dans le système éducatif. À l'origine, ce n'était pas dans l'éducation, mais aujourd'hui, de plus en plus, c'est utilisé et c'est leur apport que je suis en, train d'étudier. J'ai fait cette étude euh, il y a trois ans de cela sur euh, l'école normale Mali de Dosso, mais actuellement je suis en train, en train de l'élargir dans le cadre d'un doctorat qui portera sur l'ensemble des écoles normales euh, du Niger. Quel peut être l'apport d'éthique dans la formation L'apport d'éthique dans la formation peut être vu sous plusieurs angles. D'abord la facilitation de la prestation du travail de l'enseignant, mais aussi la facilitation de la compréhension pour l'apprenant, d'une part. Euh, d'autre part, on peut aller encore en amont de la situation classe, en amont de l'événement leçon, la préparation de leçons la préparation de différentes recherches nécessaires à la synthèse que constitue la leçon, la préparation aussi ou le traitement d'un certain nombre d'exercices que l'enseignant donne aux apprenants. Dans tout ceci, aujourd'hui, la technologie permet par un seul clic d'accéder à un certain nombre d'informations dont par le passé, il y a quelques années seulement, il est difficile d'aller de bibliothèque en bibliothèque, de pays en pays, de continent en continent pour accéder à ces contenus-là. Aujourd'hui, par euh, ces technologies, c'est à la portée de tout le monde et c'est ce que je suis en train d'étudier. Et quelles sont les technologies spécifiques à cela Les principales technologies qui servent de support aujourd'hui euh, dans notre contexte, c'est euh, essentiellement l'ordinateur et la connexion Internet. Mais aussi, de plus en plus, le téléphone portable est en train de remplacer même l'ordinateur dans la recherche. C'est-à-dire que le PC n'est pas dans la chambre de chacun de nous, mais le téléphone portable est de la poche de chacun. Et de plus en plus, nos enfants, nos petits frères, euh, nos collègues apprenants ont un téléphone qui a le dispositif permettant de naviguer tout de suite et de retrouver un certain nombre d'informations ou de connaissances. C'est par rapport à cela qu'on dit que c'est une chance qu'on doit saisir, nous, acteurs du système éducatif, pour cadrer cette jeunesse ou ces apprenants et leur montrer comment faire la recherche, comment acquérir la connaissance, comment produire la connaissance et comment diffuser cette connaissance-là à travers ce même équipement. Vous avez pris le, cas spécifique de l'UNI de Dossou. Est-ce que euh, ces matériels existent existe là-bas Oui, quand j'ai fait l'étude déjà, ils avaient une connexion Internet, ils ont une salle informatique, sans compter les appareils que les personnes ont euh, dans le cadre de leur propriété privée, les ordinateurs des enseignants, mais aussi l'équipement de l'école même était vraiment euh, à jour et ça permettait à chacun de faire ses recherches sur place ou bien à la maison. Il y a aussi dans la ville un certain nombre de lieux d'accès euh, à, cette communication-là, tels que les, cyber, les cybercafés, mais aussi des endroits de recherche, ainsi de suite, les bibliothèques, qui permettent euh, cela. Pour une première euh, étude, c'était de voir quel est l'apport de l'ordinateur ou du projecteur et de la connexion Internet dans les prestations. Et les résultats de l'étude ont montré que tous les enseignants sont unanimes que c'est un matériel qui permet de mieux présenter les cours. Les élèves également, dans l'enquête que j'ai menée, ont montré cette conclusion-là. Dans un deuxième temps, les enseignants ont, ont, ont répondu que de façon spécifique, c'est la recherche que ça leur facilite. Dans un troisième temps, ils ont exprimé un certain nombre de besoins. À partir de cette technologie, on a besoin de modifier par exemple exemple, les dispositifs de formation, vous voyez maintenant, nous avons des tableaux blancs interactifs, des tableaux blancs tactiles, et, un certain nombre d'équipements qui sont liés au prolongement de ces technologies-là et qui font que les anciennes dispositions que nous avons, les anciens dispositifs tels que le tableau noir et ainsi de suite, ne sont plus adaptés pour quelqu'un qui veut projeter un cours. Le tableau noir ne vous arrange plus. Et donc, euh, c'est dans ce sens que les, les, propositions sont parties, mais fondamentalement sur leur utilité, l'étude montre qu'elle n'est plus à discuter, elle n'est plus à démontrer comment faire pour s'en approprier ici au Niger Ou en tout cas, le, dispositif euh, technique manque. Pour, euh, pour s'approprier de ces dispositifs, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est l'accès d'abord à ces technologies-là. Il y a cette première étape, donc l'acquisition du matériel informatique au Niger. Je ne sais pas à quel rythme ça se fait, ni comment ça se fait. Ça, c'est un premier élément. Le second niveau, c'est maintenant, une fois que les machines sont disponibles, quelle utilisation nous en faisons. Nous savons qu'il y a des utilisations euh, euh, qui peuvent être euh, perverses, qui peuvent être déviantes, mais ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est l'utilisation utile. À partir de ce deuxième niveau, découle un troisième niveau, qui est celui des connaissances relatives à leur manipulation, puisqu'il ne suffit pas d'avoir l'ordinateur ou d'avoir un téléphone pour être expert tout de suite. Non, il faut aussi avoir été initié, avoir un minimum pour pouvoir se guider, ne pas s'égarer. Quand vous rentrez sur Internet, c'est comme une forêt, vous pouvez tomber sur n'importe elle pensait que la meilleure. Notre travail premier consiste à montrer aux apprenants cette technologie qui existe voici les compétences dont vous avez besoin pour en tirer le meilleur profit. C'est ça les trois niveaux par rapport à la présence de ces technologies dans notre environnement. Quelle est l'appréciation des apprenants justement les, apprenants sont des gens dont certains experts disent qu'ils sont nés avec la technologie. Donc pour eux, ce n'est pas du nouveau. Pour eux, c'est ça même le réel, c'est ça même la vie de tous les jours. Euh, un téléphone n'est plus un luxe, un ordinateur dans la maison n'est plus un luxe, ainsi de suite. Un écran géant, un tableau tactile, un ordinateur tactile ne sont plus des luxes pour le jeune enfant de 10 ans, 15 ans, 20 ans, puisqu'ils ont nés trouver ces machines-là. Vous voyez certaines associations de jeunes qui réclament, quand on coupe la connexion Internet, quand l'électricité n'est pas garantie, euh, qui, qui, s'agitent, qui disent que ce n'est pas normal de faire une journée entière sans connexion. Le matériel manque malheureusement. Qui doit amener ce, matériel Je me suis dit qu'on a des ressources. Parmi ces ressources-là, on peut réserver chaque année ou sur une certaine périodicité un minimum qui puisse aller dans le cadre du financement de l'acquisition de, de ces machines. Plus concrètement, à partir des frais de vente de l'uranium ou du pétrole, on peut prévoir, même si c'est 0,01%, c'est toujours quelque chose. Et prévoir donc euh, l'acquisition des machines pour les enseignants ou pour, les, ou pour les étudiants, ensuite pour les élèves, ainsi de suite, selon les niveaux et selon les priorités nationales. Le, le second élément, non moins important, c'est que même si nous avons ces technologies, il faut qu'on ait une autonomie et une indépendance énergétique. Tant qu'on n'a pas l'électricité, on ne peut pas parler d'Internet. Tant qu'on n'a pas l'électricité, on ne peut pas penser à une connexion permanente. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord garantir, parallèlement à l'acquisition des machines, il faut aussi garantir cette indépendance énergétique. Et qui doit le faire Ça, ce sont les rôles régaliens de l'État qui doit, euh, selon les expertises dont il dispose, aller vers les priorités euh, qui concerne ces questions-là. En quoi est-ce que euh, les TIC peuvent améliorer la qualité de l'enseignement qui fait débat aujourd'hui La qualité de l'enseignement, euh, elle, fait, elle fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que justement les performances sont tombées vraiment très bas. des études menées par le ministère de l'Éducation disent par exemple par rapport à l'apprentissage au primaire que quelle que soit la discipline considérée, quel que soit le domaine, eh bien les apprentissages sont en deçà du minimum souhaité il est euh, euh, plus que nécessaire d'avoir un sursaut national par rapport à la qualité de l'éducation. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues, beaucoup de chercheurs, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'administrateurs, beaucoup de décideurs politiques qui font de leur mieux, mais pour le moment, on n'a pas encore trouvé la formule pour résister l'école nigérienne, puisque je considère qu'elle est pratiquement agonisante. Elle est, elle est vraiment au bord du gouffre. Il faut qu'on trouve euh, une façon de la révolutionner pour qu'elle revienne à des, à des lendemains meilleurs, à des jours meilleurs. Mais mm. pour le moment... Vous, qu'est-ce que vous proposez justement en rapport avec ces tics En rapport avec ces tics, nous sommes en train de chercher à comprendre dans quelle mesure, dans quelles conditions on peut amener les apprenants à utiliser, à utiliser ces tics pour se cultiver, pour se former, mais aussi pour diffuser la connaissance. D'un point de vue de l'apprenant, c'est ça l'angle de, vue, mais aussi d'un point de vue de l'enseignant, c'est la même chose. Parce que, quelque part, la performance de l'apprenant dépend de la prestation que le formateur, qui est l'enseignant, fait. Eh bien, par rapport à cela, nous savons que depuis un certain nombre d'années, l'école nigérienne recrute ce qu'on appelle des contractuels qui ne sont pas toujours formés d'un point de vue pédagogique. Parfois, ils sont sortis directement des écoles sans pédagogie, sans formation en matière d'enseignement. Eh bien, eux aussi, c'est une occasion pour eux de profiter des connaissances et des formations relatives à ce métier afin que leurs prestations soient les plus utiles possibles. Dans un deuxième euh, euh, euh, temps, c'est la perspective qu'il faut engager. Et puis donc, c'est quand les apprenants et les enseignants, plus les décideurs, vont tous s'impliquer dans l'utilisation des TIC, c'est en cela seulement qu'on pourra avoir un impact positif de ces TIC-là dans le milieu scolaire mais justement, comment mobiliser ces acteurs Les acteurs, il y a plusieurs stratégies pour les mobiliser. Par exemple, par la diffusion des résultats des recherches. Nous avons fait tout de suite une présentation, vous voyez des, résultats de nos recherches. On les divulgue et on les présente aux décideurs, puisque de toutes les façons, les derniers mots reviennent en matière de, la vie nationale. Le dernier mot revient aux décideurs. Euh, d'un point de vue de la recherche des solutions aux problèmes de l'éducation au Niger, euh, en ce sens que euh, plus la recherche va produire l'information, plus, un jour ou l'autre, les décideurs vont les prendre en, chose, en, compte et puis pouvoir l'utiliser. En conclusion, euh, nous retenons avec vous que les TIC sont une partie intégrante, qu'il y a lieu de s'y accommoder. Mais au meilleur prix, qui est celui de, euh, d'en faire le meilleur usage pour avoir le meilleur rendement à travers nos, nos, activités. C'est-à-dire la machine, il faut toujours la voir euh, comme un moyen. Même si on n'est pas technophobe, on est technophile, on aime que ces machines-là soient adoptées tout de suite, tout de suite. Eh, eh bien, même malgré cela, il ne faut pas perdre de vue que la machine en elle-même n'est qu'un moyen. C'est l'homme qui lui donne une signification, une utilisation qui est utile à sa vie. Monsieur Abouba, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Voilà, c'était là M. Abouba euh, euh, qui soutenait euh, un master sur l'utilisation des techniques de l'information de la communication dans les écoles normales, cas de l'école normale de Tosso. Dans la nuit du mercredi 3 août dernier s'est déroulée la projection du film Cerveau noir de Jingare Meiga au Palais des Congrès, un film fiction qui traite des valeurs telles que le pardon et qui interroge certaines pratiques qui doivent plus avoir cours euh, de nos jours. Diallo Marie Kenda s'est entretenu avec le cinéaste Jingare Meiga sur son œuvre Cerveau noir. Je vous propose de les suivre. Bon, le titre, euh, c'est un titre que j'ai juste imaginé parce que je voulais mettre le mot noir à travers mon film et comme j'ai eu aussi affaire à des gens qui complotent des choses de rien du tout et je les prenais pour des gens qui ont des cerveaux noirs. Celui qui n'a pas un cerveau noir ne pouvait pas agir comme ça. Parle-nous de ce film, euh, cette histoire. Bon, tout se passe autour des militaires, ont de Gazibo et son ami Zeini. Et aussi le général qu'ils ont impliqué là-dedans. C'est une histoire de famille. Deux jeunes gens qui ont grandi ensemble dans la même famille et qui sont partis à l'école ensemble, qui ont fait le bac ensemble. Ensemble, ils ont décidé d'aller dans l'armée. Deux grands amis qui ne se quittent même pas la nuit. Donc, une fois dans l'armée, l'autre, accidentellement, a aimé la, pardon, la sœur de son ami. Et puis, bon, il a pensé avoir mis enceinte et, bon, tenant, comme il ne voulait pas d'elle, il voulait se séparer. Et il trouve une situation qu'il peut créer pour pouvoir se débarrasser de la famille. Et il a accusé son ami d'avoir préparé un coup d'État. Comme ça, lui, il va, carrément s'éloigner de la famille et se débarrasser aussi de la fille et de son enfant. Bon, c'est une euh, histoire euh, inventée de toutes pièces c'est vraiment de la fiction, c'est pas de la réalité. Et comme certaines fictions aussi ressemblent à la réalité, on peut le considérer que euh, c'est de la réalité aussi. Vous parlez de la réalité justement. Dans ce film, vous défendez des valeurs, des valeurs euh, comme l'amour et comme euh, l'esclavage aujourd'hui qui ne doit plus être d'actualité. Est-ce qu'en réalité, à travers ce film, vous avez énormément à, réchanger dans, la tradition ça, c'est des choses que j'ai écoutées. Les gens parlent de ça dans des conversations, dans ce que les gens disent entre eux quand ils sont dans les fadas et ce que les gens disent de certaines personnes quand leurs parents sont en bourse, etc., etc. Donc, je suis parti de, cette, euh, de ces idées comme ça de, un certains souvenirs que j'ai évoqués, que donc je me rappelle bien comment les choses sont passées devant moi. Les gens qui parlent de l'esclavage, les gens qui parlent aussi de, la noblesse, euh, qui donnent la valeur de, la noblesse par rapport à l'esclavage. Ça, c'est ancré dans dans l'esprit de certaines personnes qui continuent toujours à en parler et qui continuent à donner cette valeur. Mais il faut quand même, en tant qu'artiste, amener les gens à faire comprendre que ces choses-là sont terminées aujourd'hui. Comme l'a dit, ce qui compte, c'est vraiment le travail. Je crois que c'est le résultat de l'homme. Vous parlez de ces valeurs, vous y croyez ou bien vous l'écrivez en tant qu'artiste Bon, moi je ne peux pas croire à ça parce qu'il n'y a, a, pas de valeur. Donc moi je ne crois pas. Je pouvais croire quand j'étais petit, mais aujourd'hui je ne peux pas croire à ça. Je connais des cas où ils ont voulu célébrer le mariage d'un monsieur avec une femme. Et les parents de la femme ont dit non. Nous venons d'entendre aujourd'hui même que son père est un esclave, son maman est esclave. Donc on ne peut pas se donner notre fille en mariage à ce monsieur-là. Seulement parce qu'il a le, c'est le titre que veut dire, esclave. Ils ont refusé. Parlez-nous du tournage de ce film. Bon, le tournage, ça s'est passé en un an. Euh, rare que je fasse un film en un an. D'habitude, quand je commence un film, je le finis en deux ou trois ans. Par exemple, Noir, quand je l'ai commencé, j'ai mis sept ans pour le finir. c'était au temps de l'AFC. Il n'y avait pas d'argent. Après, c'était le temps de, de Il n'y avait pas d'argent au cinéaste pour travailler. Je n'avais nulle part. Je n'ai pas des, aides de l'extérieur ni de l'intérieur. Euh, je me suis débrouillé moi-même avec mes moyens de bord. Quand je travaille sur un film, je gagnais 200 000, 300 000. J'ai mis 100 000 francs sur le travail. Et c'est comme ça que j'ai fini le film en 7 ans. Après, j'ai eu tous les problèmes du monde parce que les gens pensaient que, certains pensaient que je me suis adressé à eux. Et là, c'est différent ah, dans ce film. C'est différent. J'ai commencé le film là en, en, 2015 et je l'ai fini en 2015. Tout simplement parce que, bon, il faut le dire, nous avons reçu l'aide du président de la République qui nous a permis de travailler. Le peu que j'ai eu, je l'ai mis sur deux films, euh, Au plus loin dans le noir et Le cerveau noir. Et je l'ai fini, je l'ai bien fini. Je suis content de, le finir très vite. La seule chose qui, me gâte le cœur, il faut le dire, c'est le public qui ne vient pas voir ce film-là. Alors que les gens qui viennent le voir, ils, ils sortent toujours satisfaits. Donc ça, ça me fait plaisir aussi. J'allais en venir par rapport à cette satisfaction que vous avez eue. Vous avez une sensation de fierté. Satisfaction parce que chaque fois quand je le projette, ça fait la troisième fois maintenant, les gens viennent me serrer la main et me disent que le film est très bien. Il y en a même qui me téléphonent pour me dire vraiment ton film est sensationnel, c'est très bien, c'est une histoire du Niger, c'est ceci et cela. Ça me fait plaisir, donc je suis satisfait. Techniquement, le film est bien fait. Il y a des choses qui manquent, il y a des insuffisances parce que tu ne peux pas présenter des militaires sans fusil. J'ai le fait parce qu'on ne pouvait pas avoir de fusil. Nous sommes dans un moment où le fusil, on ne peut pas toucher. Il ne faut pas aller vers les militaires aujourd'hui avec une caméra. Ils n'ont pas confiance avec l'histoire de Boko Haram là. Chaque fois, on a essayé de trouver des même aller travailler au camp, ils nous ont refusé. Donc je suis parti avec les moyens de bord, ce que j'ai, et j'ai fait ce film-là, tout en essayant quand même de, faire ce que je peux. Vous envisagez de produire, de réaliser d'autres films encore Bon, je pense faire un film pour aider des albinos, parce qu'il y a des albinos qui sont venus vers moi et qui m'ont dit, ah, toi, tu es un cinéaste populaire, les gens voient bien tes films. Nous, on nous manque des maris, il faut nous aider à faire, euh, à montrer les gens quels sont les problèmes, c'est les difficultés qui nous empêchent. Et j'ai fait un scénario sur ça si j'ai les moyens de trouver l'argent, je vais le faire. Sinon, le scénario est prêt. Inch'Allah, si j'ai les possibilités, je vais le faire. Si je ne peux pas le faire aussi, je donnerai le, le scénario à d'autres personnes de le faire. Un dernier message ben, Je remercie les gens qui sont venus voir le film. Bon, je remercie aussi notre ministère la Réalité qui a promis de faire la Renaissance culturelle. Je vous remercie. Merci, Monsieur Djingari. Voilà, notre reporter Kenda Mariam Diallo avec euh, le cinéaste Djingare Mega qui, euh, sur son film Cerveau Noir, dont la projection a eu lieu le mercredi 3 août dernier au Palais des Congrès. Un mot de santé pour clôturer ce forum. Le cancer euh, est en passe, oui, le cancer est en passe de devenir le premier facteur de mortalité au niveau mondial. Plus de 70% des décès de cancer surviennent dans les pays à faible revenu ou à revenu moyen comme le Niger. Dans ce pays, on enregistre de plus en plus de nouveaux cas de cancer à tous les niveaux. Qu'en est-il réellement de cette maladie Docteur Dille Isimoua, chirurgien oncologue euh, au micro de Laura Ibrahim Gado le cancer, c'est une maladie de la cellule. Vous savez que le corps humain est constitué de plusieurs milliards de cellules et chaque groupe de cellules va former un organe comme l'appareil respiratoire pour bien respirer, l'appareil circulatoire pour que le sang véhicule les aliments qu'on mange et l'appareil urinaire pour permettre d'éliminer les déchets. Bon, tous ces appareils-là, c'est des cellules qui travaillent ensemble pour faire une activité pour permettre au corps humain de fonctionner. Mais quand il y a le cancer, qu'est-ce qui se passe Un jour, une cellule appartenant à cet appareil, une cellule, va perdre son fonctionnement dû à certains éléments ou des radiations ou un virus ou tout simplement certaines hormones ou certains traitements ou certains aliments, cette cellule-là va perdre son moyen de fonctionner et va se désorganiser et fonctionner pour son propre compte. C'est comme une cellule qui se rebelle, qui devient folle. Quand est-ce qu'on peut parler réellement de cancer on parle de cancer, donc quand cette cellule va se, sera multipliée de manière euh, désordonnée, elle va donner donc d'autres cellules qui sont anormales, des milliards de cellules. Et quand elles vont s'assembler, ces mêmes cellules vont former ce qu'on appelle une masse, une tumeur. C'est ça qui devient un cancer. C'est ce qu'on appelle le cancer. Donc une maladie qui a démarré au niveau de la cellule et aura donné des milliards de cellules qui vont s'organiser, former une boule, une masse au niveau d'un organe. Par exemple, si c'est le sein, cette boule-là, ce sera elle sera dans le sein. Mais la différence du cancer et de ce qui n'est pas un cancer, parce que toutes les boules ne sont pas des cancers, c'est que cette boule-là, elle va commencer à envahir le sein progressivement petit à petit, elle va envahir tout le sein. C'est comme si elle va détruire tout l'organe là où elle se trouve et elle ne s'arrête pas là elle va envoyer des cellules dans le sang, dans les vaisseaux lymphatiques, et ces cellules-là vont aller dans un autre organe. La maladie va commencer au niveau du sein, par exemple, et on va la retrouver plus tard au niveau du foie, au niveau du cerveau, au niveau des poumons. Et ça, ça s'appelle un cancer généralisé. C'est ça le problème du cancer. C'est pas comme une tumeur bénigne qui n'est pas un cancer, une boule aussi mais qui n'est pas un cancer, qui va rester, elle naît dans un organe, elle meurt dans cet organe alors que le cancer, il naît dans un organe du corps humain, mais il se propage dans tout l'organisme. Et vous savez que quand elle va commencer à aller dans tout l'organisme, elle détruit déjà là où elle est née et elle va commencer à détruire les autres organes. Quand on n'a pas de foie, le foie est détruit, on ne peut pas vivre. Les reins ou le cerveau est détruit, les os sont détruits, c'est des douleurs, c'est des fractures, etc. C'est ça le problème du cancer. Le cancer se généralise et après on peut arrive à un stade où il n'y a plus de vie. Docteur, le cancer concerne-t-il les femmes et les hommes Le cancer, il concerne tout le monde. Je peux vous dire même plus loin. Vous voyez, par exemple, au niveau des, arbres, même, même des végétaux, il y a des végétaux qui font certaines formes de cancer. Ça concerne tout le monde. Compris les enfants Hommes, femmes, enfants. Il y a-t-il divers types de cancers Et ça concerne tous les organes. On ne peut pas dire que même le cheveu, même sur le cheveu, même sur la peau, tous les organes, l'ongle, tous les organes peuvent faire des cancers parce que tous les organes sont faits de cellules et toutes ces cellules un jour peuvent perdre le contrôle. Une cellule peut perdre le contrôle dû à plusieurs milliers de facteurs. Certains on les connaît, certains on les connaît pas, mais je vous dis que le cancer peut atteindre tous les organes et tout âge confondu. Tous les organes peuvent faire les cancers, tous. Les plus fréquents au Niger, c'est le cancer du sein, c'est le plus fréquent en termes de nombre. Je crois que c'est depuis 1996 les cancers qui sont en tête en, termes de nombre tout sexe confondu, c'est le cancer du sein. Alors, qu'en est-il réellement du cancer du sein Le cancer du sein, c'est comme tous les cancers, quelque chose qui se développe au niveau du, du sein d'abord, chez l'homme comme chez la femme, parce que les hommes aussi un sein, même s'il est trop petit, ils sont sujets à des cancers. On a eu des cas de cancer chez l'homme. Donc ce cancer-là, malheureusement, c'est le plus nombreux et il fait des ravages. C'est un cancer, je vous dis, qu'on ne peut pas prévenir. On ne peut pas le prévenir parce qu'on ne connaît pas exactement sa cause. Mais une seule chose est certaine, c'est qu'on peut éviter de le découvrir tardivement. Comment Chez la femme, elle fait une mammographie. À partir de 45 ans, chaque femme peut faire la mammographie. Une mammographie, une, une radiographie des seins qui va trouver une anomalie de la radio avant même qu'on sente la boule. Donc ça, c'est l'idéal. Mais une jeune femme doit connaître son sein. Par exemple, dès 20 ans ou 25 ans, chaque femme, elle touche son sein. Elle va devant le miroir, elle regarde son sein. Si elle voit une tache dessus, sur le mamelon, une tache, une plaie qui ne guérit pas dessus, ou bien elle touche le sein à l'intérieur, elle sent quelque chose. Pas tous les jours, mais une fois par mois, par exemple, après les règles, elle touche son sein. Quand le sein est moins lourd, elle touche et elle sent. Si elle sent une anomalie, elle va consulter. Le médecin va l'examiner. Si nécessaire, il va demander un examen et on va regarder s'il y a une anomalie. Et quand on détecte ça tôt, il y a des chances de guérison qui sont vraiment, quand c'est tôt, vraiment la guérison peut être à 100%. Mais quand c'est tard, je vous dis, surtout qu'on on n'a pas tous les traitements de, ce cancer. Si on détecte ça tard, c'est pas bon. Et quels sont les symptômes Maintenant, les signes, c'est toute anomalie. Tous ceux qui viennent d'arriver, un événement récent dans votre sein doit vous alerter. Y a-t-il un vaccin contre ce cancer Pour le cancer du sein, il n'y a pas de vaccin. Comme je vous ai dit, on ne connaît pas toutes les causes. Par contre, il y a des familles qui ont des risques de cancer du sein. Il y a un test génétique que dans certains pays plus développés, les gens font. Il y a des gènes qu'on appelle BRCA, c'est des gènes qui favorisent le cancer du sein. Ce qui fait que les y a des gens qui vont vous dire que ma soeur a fait le cancer du sein, ma mère a fait, ma grand-mère a fait, mon père ou mon oncle a fait. Vous allez voir des familles qui sont sujettes à des cancers du sein. Et chez ces familles, ce qui se fait, comme vous avez vu, il y a une actrice célèbre, Angelina Jolie, elle s'est fait enlever les deux seins parce qu'elle a le gène, elle a mis des prothèses. Parce qu'elle a le gène, elle a fait ce test, on dit qu'elle a le gène, donc elle a enlevé ses deux seins pour ne pas faire ce cancer. Parce qu'elle est presque sûre qu'elle aura ce cancer puisqu'elle a le gène qui favorise le cancer. Vous voyez, il n'y a pas de vaccin pour ce, cancer. Par contre, pour le cancer du col de l'utérus, je tiens à en parler du cancer du col de l'utérus. Un cancer qui fait des ravages et ça nous rend tellement tristes parce que c'est le seul cancer qu'on peut éviter. Vous voyez Comment Comment justement En faisant le dépistage. Chaque femme qui a déjà eu un rapport sexuel doit faire le dépistage, mariée ou non. Il n'y a pas de tabou pour ça parce que le cancer n'a pas de tabou. Quand il va ravager le col de l'utérus de cette femme, son utérus, puis va aller dans ses poumons, dans son foie ou dans ses os, ça, il n'y a presque rien à faire. Hein. Donc, le dépistage là, c'est ça qui prévient. Ça, ça peut sauver la vie. C'est l'objet des campagnes de dépistage que nous avons fait avec SOS Cancer, là, à l'intérieur du pays. Nous avons sillonné le pays pour faire ce dépistage-là. Nous avons dépisté plus de 3000 femmes. Vous voyez. Et ça, c'est le cancer du col de l'utérus. Il peut être évité. Un dépistage, ça ne fait pas mal. C'est quelques minutes. Et on peut le faire au centre de santé de la reproduction à Poudrière. On peut le faire gratuitement, du lundi au vendredi. Et avec ça, quand vous le faites et que le dépistage est bien fait, je dis bien sûr qu'il est bien fait par quelqu'un qui s'y connaît, un professionnel, et qu'il montre un résultat positif, on va faire d'autres examens et ça va nous dire que c'est une lésion précancéreuse. Donc une anomalie précancéreuse. Parce que l'avantage de ce cancer, pourquoi je vous dis qu'il est évitable, c'est parce qu'il passe des par des états précancéreux, des stades où avant qu'il soit un cancer. Quand on le détecte à ce stade, la femme n'aura jamais de cancer, puisqu'on enlève ces anomalies précancéreuses et c'est fini. Et on va la suivre régulièrement chaque année et elle ne fera pas de cancer. Est-ce gratuit C'est gratuit. Au centre de santé de la reproduction, c'est gratuit. Elle fait le dépistage gratuitement. Et quand vous entendez parfois des campagnes de masse dans les villages, là-bas aussi c'est gratuit. Parce qu'on prend toujours des sponsors qui vont payer les produits, les consommables pour faire le spéculum, les produits pour faire le test. L'avantage de ce cancer aussi, c'est qu'il y a un vaccin. Un vaccin qu'on fait aux jeunes filles les filles à 12 ans, 13 ans, 10 ans, on leur fait un vaccin. Et avec ce vaccin également, et le dépistage associé, ces femmes ne feront jamais de cancer. Docteur, est-ce qu'il y a des causes Le cancer du col de l'utérus, la cause, oui, la principale cause, je dis. C'est pas la seule, mais c'est la principale. C'est un virus, on appelle ça HPV, Human Papillomavirus, virus du papium humain en français, qui s'attrape sexuellement. C'est pas un virus qui fait des infections, non. Comment Au cours du premier rapport sexuel ou même de certains attouchements sexuels, l'homme contamine la femme. L'homme n'a aucun symptôme. C'est pas comme les autres IST. Il transmet ce virus à la femme. La femme ne fera pas les infections comme vous connaissez. Elle va juste avoir ce virus au niveau de son col. Ce virus va attaquer une partie du col, progressivement entraîner des anomalies et sous l'effet d'autres facteurs, comme les, les, grossesses multiples, les grossesses à des âges précoces, des accouchements précoces et certaines utilisations de certains produits qu'on ne connaît pas, bien sûr, on ne connaît pas tous les produits. Beaucoup de choses, en plus de ce virus, vont entraîner des blessures, comme des petites blessures au niveau du col qui, à la longue, au bout de certaines années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça dépend des gens, va entraîner un cancer. C'est pour vous dire que ça évolue très lentement. Voilà, c'était la docteur Dile Isimouha, chirurgien oncologue au micro de notre reporter Laura Ibrahim Gado sur le cancer. Le cancer est une maladie qui, en, qui en passe de devenir le premier facteur de mortalité au niveau mondial avec plus de 70% des décès euh, dans les pays à faible revenu comme le nôtre. Voilà, euh, c'est la fin de ce forum. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve euh, dès lundi pour un autre numéro du forum. Mais demain, sur le journal en français à partir de 18h. Merci. Bonne soirée.